Amis de la Fada, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée Tous à la Fada qui pimente vos week-ends. Au micro, je suis Abibou Garba. La technique est assurée par Abdelkader Tiambiano. Iran gankai kuna irsi kala maradi maradi mo irgo radio garkuwa nan ka irgo na salam furta jai wana kokaro na kande kwara house yongo fondara mo ifono irgo na batu gin wayne Bono irgo na salam hunkuna il vous souviendra en avril la 2021 le premier ministre Oumoudou Mamadou a lancé le processus d'installation des élus locaux. Et eh oui, le Niger, c'est 52 communes urbaines et 213 communes rurales. Il y a la ville de Maradi, il y a aussi trois arrondissements communaux, 37 communes rurales et 7 communes urbaines. En Maradi, il n'est secret pour personne, la jeunesse bouge. Parce que Fortaya Igouanigingé Koukarkoulte, en février dernier, on a vu, c'est les étudiants de l'université d'Andiko dans Kolodo qui ont initié euh, un forum sur la paix, contre la mendicité, sur beaucoup de choses. en Haribo Biante de février, en Dukambisa, le Colisée, Iwakili Gone, Oir Fadara, Indeg Fakare, Gama, Koukarkanumi Gone Kandeka, Masti, Forum a Yadin Mono, Inda Tunon la page Bore, No Gone, Tunon la page Moer Bay, Wat Kulig, Fatano, Déclaration Yente, Irmania Da, Irmania Da, Kefami Borei Bongay Féri mairie. Et quand bon rien bon il sensibilise la population sur les droits et les devoirs. Il ne faut pas toujours rester dire nous sommes contre, nous exigeons, nous exigeons. Il faut aussi faire ce que l'État exige de vous. Il ressort souvent euh, des trucs comme ça dans les déclarations de tournant la page. Nous sommes aussi avec des structures telles que les scouts. Kunda Mogone au Conseil Citoyen 227 indaino neo da monajem. Bore okul indaino Kak, fakare neo ama Hariskan, kelko fatara halir gfurma turabum boda boroy neo da igingay bonkate se igfamandir se mo il faut il suffit pas d'attendre il faut aussi faire pour que les choses changent pour que ça bouge et je suis sûr que la jeunesse de Maradi bouge comme on le dit tout ça la fada vous le savez c'est 35 minutes musique rubrique chronique et aussi échange partage d'expérience il y a aussi les résultats qui se créent parfois à la fada irgu furba tora bankan dumi kira kul bora ming bonka tara ina hangan kaise eh, chef matron ma yakubu umar yakubu eh, si siji na jad yakubu ifo no gitaran go yaran kundara to gaskiya muna aiki sosai da sosai mhm. muna sensibilisation mhm. waye kan matasa bisa kan nima aiki muna nemo musu kuma kamar formation hakan ga aikin hannu ana koya musu eh muna samu musu wannan ayyuka sosai to wannan ne ya kawo mu don mhm. mu ji mhm. da la gestion vraiment de la cité eh, de Mogobiri ici eh. muna dawo gare ka aba micro wannan yakuba la page Il faut tourner la page de la FADA ou bien qu'est-ce qu'il faut tourner Qu'est-ce que vous faites concrètement Nous, les pages là que nous demandons de tourner, c'est les pages de corruption, les pages de, bonne, de mauvaise gouvernance. Voilà les pages sombres d'abord qui prennent le développement. C'est ces pages là que nous demandons de tourner. Voilà. Pour ce qui est des activités, quand nous revenons, nous, au niveau du tournoi de la page, en tout cas, nous sommes beaucoup axés sur la gouvernance. Donc, ah, ici, nous avons des yeux regardants sur la gestion de nos collectivités au niveau local et au niveau national. Ça, vous le voyez aussi, nous sommes toujours actifs par rapport à ce qui concerne en tout cas la gestion du pays en général. Dans ce même ordre du deux, pour qu'on puisse faire notre part des responsabilités, en tout cas, nous avons opté pour d'abord l'éducation citoyenne avec des valeurs et les principes de la République. C'est ce qui fait que nous s'intéressons beaucoup à faire des débats autour des droits et devoirs des citoyens. Ok, euh, on a écouté. Maintenant, on vient euh, aux étudiants. On a vu, et euh, vous étiez euh, vraiment très chaud en février dernier parce qu'il y a un des étudiants qui a été touché, euh, Ahmad Darunfa, il a même perdu sa vie. Vous avez initié un forum pour parler de la paix, pour parler vraiment de la gouvernance. C'est-à-dire que c'est la première activité que vous avez eu à faire ou bien dites-nous concrètement qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que les choses bougent ici à Maradi. D'accord, merci. merci. pour moi, c'est Halid Issa Abdraman, secrétaire général adjoint des étudiants à l'Université de Maradi. Vous l'avez dit, récemment, nous avons organisé une activité que nous avons nommée Forum, la première édition d'ailleurs du Forum de l'étude à l'Université de Maradi sur sa contribution dans la lutte contre la mendicité et l'insécurité dans la région. Cette activité a été motivée par les résultats, que nous l'avons dit juste après quelques jours d'une déclaration de presse que nous avons rendue publique. Un de nos camarades avait quitté la ville pour partir chez lui à 20 km vers Serkinyama. Elle a rencontré la mort. Euh, les bandits armés l'ont tué. Et nous avons dit que vraiment nous devrons contribuer, puisque ce sont les jeunes qui sont dans ces activités-là, dans cette insécurité. Ils ont une main mise. Donc il faudrait intervenir, il faut appeler la population, appeler les leaders religieux appeler les structures des jeunes pour échanger sur cette problématique de l'insécurité et la contribution de l'étudiant à l'Université de Maradi. Et c'est la première édition, elle n'a jamais été organisée ici à l'Université de Maradi. Nous déplaçons avec des structures comme Tournons la page, où nous participons à des conférences, à des sensibilisations sur les droits et le rôle de la jeunesse dans le développement du pays. En plus de ça, nous avons dans nos différentes plateformes revendicatives du 2021 à aujourd'hui, nous avons toujours inséré la, préoccupation de, la, population de Maradi, surtout sur la question des salubrités, sur la question de l'éclairage des voies publiques et sur la lutte contre l'insécurité de la ville même de Maradi. D'accord. Merci camarade, comme on le dit. Maintenant, euh, on écoute... Euh Citoyen 227 euh, Agada, c'est quoi Citoyen 227 Qu'est-ce que vous faites pour vraiment euh, la bonne marche euh, de la gouvernance ici à Maradi eh, Merci beaucoup. En c'est un joli nom quand même. Oui. Comme je l'ai dit, la structure de savoir que citoyen 227 connecté ici à maradi Pas au niger ici à maradi Ok. kenan har yanzu ba mu fara ba Mais yawa sosai mais l'objectif de objectif de de sur l'utilisation numérique dans l'affaire et la cohésion sociale et autres là. C'est ça. Il y a de nos labistérés, ça passe aussi par l'utilisation vraiment rationnelle du numérique. De Boron, Boron, Boron, Boron, ça va pas passer et puis ça peut créer aussi des désordres. Euh, ça, c'est très bien. Ça, l'action est, bien comme le nom. Euh, voilà, maintenant, et Ibora. Ni bon Oh, Yassine Yahya, Aigo, Association Scutra to kirse iskuto ifona aran mo gitaran kokari aran ga habu inna no walmo kokari fo gon karan kan ah iskut kokar bobo gona kagate par exemple irgo koy hôpital gite don du sang irgo organiser séance euh, de sensibilisation mhm. et en dehors des de sensibilisation salubrité gona kay irgo organiser cimetière même à l'intérieur de la ville même villora aura irgo organiser séance de salubrité ok et dahar bobo gona kagate koy Aribob Gon Karangsekwane. Peut-être Aïcha Tougin compléter. Eh, oh. c'est eh, <laughs> la fille de la FADA. Elle aura certainement des choses à dire, comme elle est aussi scout. Elle milite aussi dans des structures euh, des jeunes filles. Turgo Hanganisei. To, ma Kiti Aïcha Tiaj Nabani. Aïgo scout Maradi. Zangam Hayaka qui scout irrité activité en bobo. Mhm. Irrité don dessin. Irrité salubrité. Irrité sensibilisation. Okay. Quand, par exemple, les ONG digonda activité igir ke irmi appuyer irmi ga euh igir ke nangu bobo kan se irmi digoy digo activités activité wala il faut pour qu'on puisse apporter notre aide dirbumbu nan y a ya dinno donc kul gani ngeo gelamba ngeo sin hirifa non no ami auditeur de la fada irsikala maradir go radio garkwa a radio no kangandi studio kalambu goy Kamba, char kambara radio wogu karaka inda goy haler kwandiro on fakara on va écouter la rubrique rose de l'émission tous à la fada et on se retrouve après tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les amis, euh, nous sommes dimanche aujourd'hui et nous allons continuer euh, toujours avec euh, notre espace cuisine et aussi l'espace santé avec Mariam et nous allons continuer sur notre sujet d'hier, c'est-à-dire aujourd'hui nous allons parler des bienfaits et valeurs nutritionnelles des dates. C'est parti. De l'espace santé de ce dimanche, on va parler de la consommation du sucre, comment réduire sa consommation de sucre journalière. Maintenant, on va passer aux bienfaits et valeurs nutritionnelles des dates. Les dates euh, sont des fruits très énergétiques consommés depuis toujours pour leurs multiples bienfaits pour notre santé. Elles sont considérées comme une véritable bombe calorique puisqu'elles contiennent 253 voire 287 calories pour 100 grammes. Riche en fibres et potassium, en fer et en vitamine B9, la date est une source de sucre naturel et représente une alternative en sucre optimal Grâce à leur forte teneur en calories, elles sont une excellente source d'énergie. Ces vertus rendent ce fruit très énergétique. Les dates sont parfaites pour les sportifs et sont un cas idéal pour les moments où on a envie de faire le plein d'énergie. elles jouent un rôle essentiel dans le survie des peuples euh, des régions désertiques du Moyen-Orient et sont généralement le premier aliment que consomment les musulmans pour rompre le jeûne lors du ramadan. C'est tout pour la partie cuisine de cette rubrique d'aujourd'hui. On passe maintenant à l'espace santé avec Maria. Comment réduire sa consommation de sucre journalière Vérifiez toujours les étiquettes nutritionnelles des aliments. Les aliments à forte teneur en sucre contiennent plus de 2,5 g de sucre total pour 100 g. Les aliments à faible teneur en sucre contiennent 5 g au moins de sucre total pour 100 g. Faites attention aux sucre cachés dans les sauces salées ou sucrées, les vinaigrettes, les plats préparés, les yaourts, les plats emportés, les pizzas les soupes. Attention au sucre portant un autre nom. De nombreuses étiquettes alimentaires mentionnent les sucres ajoutés sous différentes formes, mais ils ont toujours les mêmes effets. Les termes souvent suggèrent la présence de sucres ajoutés. Jus, sucre ou cristaux de canne, miel, fristose ou concentré de jus de fruits, glucose, etc. Voici quelques alternatives pour réduire votre consommation journalière de sucre en bonissa. Au lieu des boissons gazées sucrées, optez pour de l'eau avec un filet de citron ou quelques tranches de concombre ou de fraises pour le goût. Manger régulièrement aide à maintenir la glycémie stable. Choisissez des glucides complexes plutôt que des glucides raffinés. Il s'agit notamment d'aliments comme les riz bruns, les pains complets et les pâtes au blé complet. Remplacer les collations sucrées par des collations plus saines. C'est tout pour euh, l'espace euh, santé et cuisine euh, qui compose la rubrique d'aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. voilà c'était là la rubrique rose on poursuit irgo kondirwo na fakarade jina e nakirma ko kariri da gagsine kan dum no furta je gona kande maradi ko ara hausiyon a fondara so irko ga hangani segma il faut dum no igona ga batu gini borega kangana amalir ma go i won go qu'est-ce qui vous bloque vraiment à faire mieux dans ce que vous êtes en train de faire c'est ça on va écouter ensuite on va revenir euh, pour parler de vos attentes parce que euh, c'est aussi euh, ça tout ça, la fada on voit ce qu'on fait on voit ce qui bloque on voit qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça bouge et voilà maintenant Aïkaniga Oh, <laughs> ah, voilà euh, rappelez-moi le nom de votre structure euh, eh, Monajed Monaged au sein de Monajed on a vu tout de suite vraiment vous faites aussi eh, des actions c'est très bien maintenant qu'est-ce qui vous bloque vraiment pour euh, encore mieux faire Ou bien, alhamdulillah, vous êtes arrivé eh, au bon port Ah non, non. A ah, quoi Ana samun matsaloli musamman matasan mu ya kanmu ma gane abubuwan nan ko rishin haɗin kai mu matasa ya mu ya mu nan ma kaga babban matsala ce kuma haɗa kanmu ba balle mu zo mutum an can wanda za su mu maganin matsalolinmu mm. gane ko na gane wallahi na gane nan ma akwai matsala akwai matsala ina nan ma bisa kan haɗin kai kenan nan ne muke samu mu samu sensibilisation ina mhm. ma haɗa kanmu kenan mu tunkari matsalolinmu mhm. mu D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, euh, donne le micro à, tourner la page. On va tourner votre page. C'est pas sombre, mais on va la tourner quand même. Voilà. <laughs> Alors, euh, dites-nous, euh, qu'est-ce qui vous bloque dans votre action pour que vraiment, qu'est-ce qui vous bloque Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre activité les, les difficultés, parce que c'est l'incompréhension parfois des autorités. Ok, des autorités Parce que quand vous regardez, nous au niveau du tournoi de la page, je vous ai dit que nous faisons l'activisme actif. Nos yeux sont toujours ouverts par rapport à la gestion de la cité. Ce qui fait que su eh, ma'aikanta ba su gane mana sai su ce que kawai muna yin adawa ne da su. Mu kuma abu guda muke adawa da shi sont da yake ya saba ma doka. Duk wani abu wanda ya saba ma doka mu muna adawa da shi. Bancin wannan muka dawo tsarinmu na turnon lafashi cewa muke a je har kuma a daji hmm, kinan kaga wannan tahiyai yana buƙatar ko ba komi ku samu abin da za ku tahiya da shi cewa da abun hawa mhm. kinan dai muna da matsala ta abubuwan da suke iya kawo mana don mu samu mun je tunda kaga maraɗi wajen komin arba'in da wani abu ce mai kamar da na ce maka a bara inda muka samu mun yi wannan conference waye wannan kai goma ne kenan kaga akwai saura akwai mu kuma abin da muke so kowane jihar maradi ko ba mu je ko ina ba a ce kowane komin shafil yadda komin mun je mun yi wannan waye kai na al'umma ko mutum goma muka samu mun waye ma kai kan shi ba mu da muwayen ba mu da muwayen wanda suke iya mana parameter mu je mu yi duka wannan wannan komin mu dai abinda kullum muke ci gaba da shi waye kai tsakanin su ma'ikanta da kungiyoyi na matasa da kungiyoyi na hula don ma'ikanta su gane cewa a kungiyoyi na matasa da kungiyoyi na hula suna nan ne don su kama musu su yi jagorancin su yadda doka ta shi hida musu kwantar da shi ne shi ke sake nan wannan matsalolin ah. matsalolin ana kama mutanen mu kaga nan ma wani abu ne wanda ya dinno arama mm. page borango ne sandai bobo na ngay bi ngay tonon go kul gi ngay tonan bora kul bo en fere gande gabi sam hinano si se kang nay euh, camarades étudiants, Maintenant, vous, quelles sont vraiment eh, vos attentes vis-à-vis des autorités pour que vraiment les choses bougent à votre niveau pour amener votre contribution dans la gestion peut-être de l'université, pourquoi pas de la ville et aussi de l'ensemble des étudiants parce que vous êtes euh, euh, les plus nombreux ici Bon, à notre niveau, oui. quand nos attentes au niveau des autorités de prendre en compte nos recommandations ou nos revendications. Souvent, les, autorités pensent que nos revendications concernent seulement la communauté estudiantine. Mais souvent, dans nos revendications, il y a des revendications qui prennent en compte les aspirations du peuple. Comme vous prenez récemment, nous avons demandé au gouvernement d'annuler la décision là de, de suppression d'un département au niveau de l'université de Maradi et que c'est le département de pharmacie. Ok. C'est pas pour les étudiants qui sont à l'université de Maradi, c'est pour les jeunes qui peut-être dans 2-3 ans auront leur WAC et elles vont venir à l'université. Ils doivent normalement s'inscrire quand ils ont besoin dans ce département-là. Malheureusement, le département a été fermé et que la population même n'a pas compris ce que nous, nous sommes en train de défendre. On n'est pas en train de défendre nos intérêts, mais plutôt l'intérêt de la population nigérienne dans son ensemble. Et le gouvernement, les autorités n'ont pas compris, ce que réellement le est en train de défendre. Nous faisons face à des problèmes que peut-être la population ne peut pas comprendre. Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui va te dire que non, vous êtes des étudiants, vous êtes logés, vous êtes transportés. Mais il faut voir dans quelles conditions les étudiants sont transportés. Il faut que la population puisse nous comprendre aussi et le gouvernement puisse comprendre que c'est les revendications du peuple, ce n'est pas seulement les revendications de l'étudiant. Ce n'est pas seulement les révocations hein, de l'étudiant. Euh, citoyen 227 euh, Connected, vous, vous êtes nouveau. Vous, vous êtes là, en quelque sorte, c'est pour la cohésion sociale, pour la bonne marche. Dites-nous quelles sont vraiment vos attentes pour que ça marche bien, pour qu'il n'y ait pas de dérapage à travers le numérique ici à Maradi. Merci beaucoup. yanzu kasusuwa da yawa wanda matasa yanzu suke aiki da shi waɗansu suka yi aiki da shi suka yi yada barna waɗansu suka yi aiki da shi kuma suka yada abin kwarai kamar yadda nace maka mukan so kamar yanzu duk wanda zai aiki da haraka rezo sosiyo ya zamanto abin da zai rinka gayi mai amfanawa ne da sauransu ga reshi ga kasashi ga jihashi da sauransu e, sannan kuma bisa kan authority hakan ga kamar lameri da sauransu muna da haɗaka da su wanda muke so ko kuma in ce maka yanzu an kuro in ya zama to ya fara aiki yadda in muka ga wani abu cikin wurare da yawa komin komin sun ba mu damar da cewa za mu iya yi gayi sama siyo wanda su karanka su kuma in muka gayi kamar za su ɗauki abu an su yi su gyara kenan wanda don gaban jihar mu ne da sauransu kuma hakan ga kamar yadda kuma in muka ga sun yi aiki in na kwarai ne kuma shi ma za mu hituwa mu gai in ma lala ne kuma za mu hituwa mu gai merci merci beaucoup eh, irga sabin sai son irka ire nyaje eh, skute ga paskara fama ne ga kan o karan goni ga batiga da giti imte hari hanno ya din mono aramo daran dina kan isiri aran ga kise aran ga ba mo imaran ga sene aran borai bon ai feri an kan giti zaman si sirai din igo fonda bon eh, irka skute ga vous les scouts quand vous travaillez bénévolat vous n'avez pas d'autres attentes ou bien vous avez des attentes vis-à-vis -vis bon. des autorités si ok <laughs> da kwaron mu zai kuta la <laughs> eh mana akwai abubuwan da mu wanda muna jiran su ga gwamnati suke menene muna fuskantar mu ma matsaloli da dama na farko kungiyar mu kungiya ce wadda tana bukata gudunmuwa gwamnati su akwai activity kin da ba su yiwa in ba tare da afikin authority ba ilfoki a ce authority tana afiyan mu tunda sun yi sun gani abubuwan da muke yi amma akwai lokacin da suke zuwa su neme ku wannan gaban kansu ne in suna da wasu bukatu sun san irin abu bukatun nasu kuma ku yansu wannan lokaci ne za a dawo wurinku a neme ku hotonki kuma ba haka nan bane lokacin da ku kuke da bukata kuna so ku wayan eh, sauran matasa kai bisa kan wani abu wanda ya shaci ci gaban su idan kuka je da bukatun ku ba za su saurare ku ba defo amma in kun tai sai ka ji an ce maka je gobe ka dawo ko kuma je kaza ko je kaza paske ni nan wurin akwai lokacin na taba zuwa wurin Eh, gouverneur daga na ta yi ina so in ga gouverneur a memta na shiga nan gouverneura daga nan a tillakan daga nan a tillakana parfinir da aka yi wurin sg ya ce in tsaya in jira shi yana aiki al'afasi a pipre dozer temps. bai yi da ba ina nan ina jiran shi a avoir finir mi ya ce mini me nike so in yi jai 2 minutes selma 2 minutes je vous assure mais c'est une autorité j'ai bon en fait j'ai pas pris ça en compte na ga abubuwan da nake bukata da faso resume ya même temps ya ce mun in je can wurin rectora da na je wurin suka ce a'a in dawo wurin su wurin shi nan wurin a tun ci dana nan wurin talaki kun ba even a ce ka je gobe kara ka je gobe ka da to ya ne za a yi mu wanga kungiyoyi na matasa ya ne za a yi a gane cewa da a'a ayyukan da muke yi masu kyau ko kuma ya ne za a gane cewa da muna so mu taimaka ma jiha ba tare da taimakon eh, authority ba dole sai authority suna zuwa sai suna taimaka ma wannan kungiyoyi na matasa sannan kuma kungiyoyi na matasa idan har za a taimaka musu su kuma za su kawo contribution kinsu dan ganin cewa wagga jiha ta maradi ta hita kunya dan ganin cewa wannan matasa na maradi duk wani abu da ya kamata a ce sun samu na kwarai ba na lala ba sun same su saboda wannan structure structure da ke da kwai suna da karhin da za su wayan ma matasan jihar maradi da kai kenan wannan sauki ne aka kama authority wannan matsaloli wanda da dama structure suna fuskantar su wanda ba a sauraron su ko kuma ba a damu da a zo a tambaye su ba mi kuke so mi kuke bukata abokina mai sunanka Suleiman. Suleiman amma wallahi na ziga ka ka kiwa zuki walifo ni ni ayo ran <laughs> wallahi ayo si kan kal sur Suleiman wi ami zan de la fada nu soma maradi kala radio na kain do furta jair go fakarai an kan ti maradi ko ra hausi yongo bo ifo no gati wan ifo gati wan ki no kande mo ifo ni go batu

Baka da izinin shiga jija baka da bakan leda bakan leda bakan leda bakan leda neman bakan leda bakan leda bakan leda bakan leda neman bakan leda maganin yaro kashi maganin reni kuɗi ƙarshen wahala daɗi maganin talauci tashi trap is very good, good. like S wood. Oh. wakende shinka watu wamwone toshine mi no french na gadama kama sarko agana tashi hankali a baki na da taba in jere maka da musa mazu dan bikin da taro voilà c'était la euh, barakina bakaleda proposée par la jeunes euh, de maradi irkondirona fakarad gina maintenant on va parler vraiment de ce qu'il faut faire on a écouté vos attentes et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que pas forcément au Camborgo on a une solution. Après, on se dit au revoir, c'est la fada. Achatou, on a vu ce que vous êtes en train de faire, on a vu les problèmes que vous êtes en train de rencontrer et pour que les choses marchent. On a écouté vos attentes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire et qui doit le faire Les solutions en un mot. Après, on se dit au revoir, c'est la fada. Ina ga mafita ita ce ya kamata gaskiya a kama ma matasan nan su samu mayan na tahiya su yi executan activitan su yanda suke so yanda za su yi za su tunda ba a zo ana ta kiran ana ga activity ana ga activity don matasa a ke ba tambaya avi in matasa ba ba ja matasa an ka sa aka sa su gaba ba aka tambaye su menene suke so a lokacin ga suna aiki c'est ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Contre nous. Effectivement. Ah, ok. Euh, tournons la page. Ou bien la solution, c'est de tourner la page. Non, non, non, non, les, pages là. les solutions, c'est l'implication de, la jeunesse et en même temps, en tout cas, la collaboration entre les autorités, les jeunes et toutes les, les autres. Parce que quand c'est pas seulement pour la collaboration avec les jeunes. Si on veut en tout cas avoir des solutions aux mots qui assaillent nos communautés, il faut d'abord rétablir la confiance entre les autorités et les citoyens à travers les organisations des jeunes, les organisations des femmes, les organisations des paysans, les organisations de la société civile. Donc en un mot, il faut un dialogue franc et sincère entre ces organisations et ces autorités. Parce que les autorités, ils sont là pour ces organisations. Attends, amma laboci labo ne no kero kula ba borai mi keddan kunta borai mi kerke gi fam kerse mata gugte sandai ne kan kayar ga mata ne gite gini birara bira chandigdabu dabu murado aste adinga kwara ma sara murado ste ga eh camarade étudiant camarade solution maintenant vous avez exigé vous avez revendiqué vous avez tout fait mais on a fermé le département Qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi la solution Bon, moi, je pense que la solution à tous ces problèmes que nous venons d'énumérer, c'est de recadrer les activités des organisations. Je dis recadrer parce que moi, je pense que presque toutes les activités que les organisations font dans la ville de Maradi se trouvent dans les différents volets du budget de, de la ville. Donc, il faudrait que les autorités de la ville, par exemple, prennent l'organisation scout qui intervient, qui fait des salubrités. Et normalement, il y a des salubrités dans le budget, de, les, activités que la mairie doit faire. Mhm. Donc il faut voir comment est-ce que toutes ces, ces, ces structures-là qui interviennent dans les salubrités, comment est-ce que la ville peut les utiliser comme appui. Par exemple, vous, avez, vous êtes en train de vouloir organiser une activité de salubrité sur la voie vous appelez toute cette structure-là pour le dire que voilà, nous, nous avons une activité, mais on manque des moyens ou on manque de main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous nous proposez comme solution Qu'est-ce qu'on peut faire Par exemple, tournant la page qui fait des activités sur la sensibilisation. Et normalement, la mairie a cette charge de sensibiliser la population sur les enjeux du moment, l'insécurité, et le chômage, les jeunes, tous ces problèmes-là. Donc, on peut appeler toutes les structures qui interviennent dans ce domaine-là pour dire que voilà le budget 2023, voilà les activités que nous sommes en train de vouloir faire. Vous, qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que vous pouvez faire Quelle contribution votre structure peut amener pour que cette activité-là soit une réussite voilà. Euh, merci, merci, merci beaucoup, merci Alidou. On donne la parole à, Bachir et puis euh, on, se dit au revoir. Euh, Agada, la parole est à vous. Eh, merci. solution en quelques eh, secondes. yawa eh merci ni abun da nake gani za ni a fiye idan waɗanda sun kace muka ɗauki eh, yakuba kwarnatar ya ce akwai tattaunawa ya kamata a ce merori ma tsakaninsu ma suna tattaunawa kuma akwai bidijetar wanda suke yi ya kamata a cikin suna tunda akwai kwanaki mun taba civil wani activity wata conference da a bakle kwansaye kwansaye su da kansu sun ka ce ba wai magana mu da ke talakawa ba mu da ke jira matasa muke jira a gaya mu suka ce su da kansu tsakaninsu ma suka ce kwansaye sai dai a yi abu su ba su da labari to ina magana suka ce su da kansu da muka yi interpellin su ne suka ce to su da kansu suka gaya mu suka ce makana kawai mer ne ya kira sauran merori kawai ya ɗauki decision ɗin shi kenan kun ga abun sai a hankali sai a hankali ya hanga kadda borai ga kadda borai ga sawa ya kamata su samu wannan tsakanin su kuma mutane tunda su in ma kamar la kwasaye kwasaye akwai kwasayen da tsakanin Allah shi da kanshi ma bai san menene shi ba kamar bai san aikin shi ba shi da kanshi bai san aikin shi ba bai san abin da ya kamata ya ba kenan in ma su ba sani ba ni dai na san ka zama mayar ko da baka sani ba sai ka sani tunda ko da aka kawo ka kawai kai mayar ne iko ne ya rihe maka ido parti ne ya kawo ka da sauransu in ka zo sama wannan kujera sai ka san mine ne ya kamata kai kenan su da kansu ya kamata su sensibilize mutane su sannan sai a zo a yi wani Merci. merci. beaucoup Bashir merci merci beaucoup euh, ami de la fadaran ko ma sengo ane mantinga bo ane mant yi conseiller yamu bogon kensi be kulkan gote meriora ay kulgani sibai so fa bine ko ara bore ya dinga bine bore mi kay ceddan sawara kanga na muradu am du gasu bora kul muradu am te eh, amis de la fada avant de se dire au revoir de façon définitive on va écouter la chronique de la fada et on se dit au revoir Chers amis jeunes de la FADA, bonjour, c'est l'heure de votre chronique et aujourd'hui je voudrais vous parler euh, d'un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans notre société moderne. Il s'agit du voyage responsable. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes actuellement dans la période des grandes vacances et qui dit vacances dit voyage. Ceci étant dit, il est essentiel de prendre conscience de notre impact sur l'environnement, les communautés locales et la culture lors de nos aventures à à travers le monde. Le voyage responsable est bien plus qu'une simple tendance éphémère. Il s'agit d'un état d'esprit, d'une façon de découvrir le monde tout en minimisant notre empreinte écologique et en favorisant des expériences authentiques et durables. L'une des premières étapes du voyage responsable est de choisir des destinations qui mettent en valeur la préservation de l'environnement. Optez pour des endroits où la biodiversité est respectée et où les initiatives de conservation sont encouragées. Par exemple, de nombreux pays ont établi des parcs nationaux et des réserves naturelles qui permettent aux visiteurs d'admirer la beauté de la nature tout en contribuant à sa préservation. C'est ici que nous allons prendre congé de vous, chers amis. C'était là la chronique de l'émission Tous à la Fada. Woy negiti wo kan morgun kuna ne maradi radio garkwa irka fakara ino da furta ge hankan gati iwana gag sina di won kokaro kai gona kande kwara mazade yango fondara kwara house yango fondara irma mu furta ge wo se tubarikallah ininge go kan ninge won kokar kuduma afo kula won fannora gona kan ninka mu kokaro tubarikalli go kan ninge kokare hal hal hal hal hal mi saki ya dir mono igona gidi sandaya sandaya banda mo ina jinda dan hino ga hino mo dangasi amma ina ku kinga ba dagiti boddan sawara tous confesse tous se confessant nous pour nous et contre nous akul kan ife ir ga da dai ir sara kulu mantir sai ni gona gate ya dinga zambu gusuno kara igba imidda wayne o ininge sheddanda ina an ga iminge dan sawara hun kun banda a cara banda irim chargorbani hazaw salam merci beaucoup